Salut à tous et à toutes, bienvenue ici au studio 12 de la Voix de l'Amérique. Je suis Yakuba Ouedraogo et vous êtes bien dans votre programme d'avant-match de la Basketball Africa League saison 4. Vous l'avez suivi, la saison régulière, saison 4 est terminée. Eh bien, place au playoff depuis hier du côté de la BK Arena de Kigali, c'est au Rwanda. Et ces playoffs-là se jouent du 24 mai au 1er juin où on saura qui va succéder à Al Ali d'Égypte, champion en titre et toujours en course dans cette Basketball Africa League saison 4 et donc 2024. Merci en tout cas à vous de, faire, de nous faire l'amitié d'être euh, à l'écoute et merci à tous ceux qui suivent quotidiennement la voix de l'Amérique. Eh bien, nous sommes basés à Washington DC, comme je le disais. Et pour ce programme spécial consacré à la Basketball Africa League, vous le savez, eh bien, je le dis sans cesse, la VOA est partenaire de cette euh, compétition depuis sa toute première édition. Rappelez-vous également, c'était en 2021. Alors qu'elle était prévue démarrer en 2020 du côté de Dakar, et eh bien c'est finalement en 2021 que cette Basketball Africa League a été lancée. Depuis lors, il y a eu des champions, il y a eu Zamalek, il y a eu Monastir, il y a eu Alali et cette année, eh bien, on saura qui va remporter le trophée pour cette quatrième édition du côté de la BK Arena de Kigali en tout cas. Nous sommes dans la dernière tranche, et eh bien nous sommes dans la dernière tranche, je le disais, les hostilités ont commencé hier. Deux matchs aujourd'hui, le premier a déjà eu lieu et terminé. Il s'agissait de celui qui a opposé Petro de Luanda et donc d'Angola à l'Union sportive monastirienne de la Tunisie, l'US Monastir de la Tunisie, rappelez-vous, qui a fini comme meilleur troisième repêché du côté de la Dakar Arena dans la conférence Sahara pour participer donc à ces playoffs. Eh bien, Monastir s'est imposé 70 à 67 devant Petro de Luanda, qui avait fini deuxième de la conférence Kalahari à Pretoria et donc qui avait arraché le deuxième ticket qualificatif direct donc pour ces playoffs là du côté de l'Afrique du Sud. Trois petits points séparent donc Petro de Luanda et l'Union sportive monassyrienne dans le premier match qui a eu lieu ce jour. Et en termes de statistiques, tenez-vous bien, du côté des Angolais de Petro de Luanda, c'est bien Nicolas Faust qui a le plus grand nombre de points, seulement 12 contre 19 pour Foufiras Layani de l'Union sportive monastirienne. Et puis, toujours du côté, bien sûr, de Petro de Luanda, c'est l'incontournable, ce garçon-là que vous connaissez, Childe Dundao, qui a planté 11 points contre George Atibeti Williams de l'US Monastir, 17 points. Ater Majok, toujours attendu, il a répondu présent et bien avec 12 points. Lukeni, Consalves, 9 points du côté donc euh, de Petro de Landa. C'était là les meilleurs marqués, les trois meilleurs marqués, si vous voulez, de ces deux formations-là. En termes de rebond, eh bien, c'est Aboubakar Gakou qui en a le plus du côté de Petro de Landa avec 8 euh, rebonds contre Firas Layani, 9 rebonds. Marcus Crawford, attendu aussi, seulement 6 petits rebonds. Consalves, 6 rebonds. Yannick Morera, 5 rebonds. Et bien sûr, à Majok, 5 rebonds. En termes de passes décisives, eh bien, c'est bien Marcus euh, Christopher Crawford qui mène la danse et donc euh, qui fait la course en tête avec 11 euh, passes réussies contre décisives pardon contre Consalves qui a seulement 6 passes décisives. Eh bien, il est attendu ce match-là, celui qui va se jouer tout à l'heure entre les Rivers Hoopers du Nigeria et l'AS Douane du Sénégal. Bien évidemment, ces deux équipes-là se connaissent parce qu'elles s'étaient déjà rencontrées lors de la phase de poule en saison régulière du côté de la Dakar Aruna en, lors des matchs hein, de la conférence euh, du Sahara. Les Nigériens de Rivers Hoopers ont été battus une fois par l'AS Douane. Et les Nigériens aussi qui disposent hein, d'une victoire face à cette équipe sénégalaise-là. Et donc, il y a eu deux confrontations entre ces deux équipes du côté de la conférence du Sahara, pour cette année en tout cas, avant ne se rencontrent, qu'elles ne se rencontrent, pardon, ce soir bien sûr du côté de la Dakar Arena, Rivers Hoopers du Nigeria, AS Douane du Sénégal, c'est dans 25 petites minutes. 25, c'est beaucoup à la fois petit. Et bien sûr, on attendra de voir qui va s'imposer lors de ces playoffs-là. Et pour rappel, il s'agit bel et bien d'une première phase de classement. Une première phase de classement, pourquoi Parce que les rencontres d'hier et celles d'aujourd'hui permettent tout simplement de donner les affiches des quarts de finale qui commencent demain. Trois affiches sont connues deux affiches sont déjà connues hein, pour ce qui est de la journée de demain. Eh bien, les deux al Lige d'Égypte et Alali de la Libye de Benghazi, donc, vont s'affronter en première rencontre et on saura si le champion en titre égyptien va poursuivre l'aventure, va poursuivre bien sûr la défense de son titre ou pas. Et en second match, eh bien, Fus de Rabat, les Marocains qui ont fini premier de la conférence Kalahari du côté de Pretoria feront face aux Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud, les Cape Tigers, vous le savez, hein, qui ont été repêchés en tant que meilleur troisième de la conférence Kalahari. C'est donc dit que ces deux équipes-là aussi se connaissent parce qu'elles s'étaient déjà affrontées du côté de Pretoria. On le sait, Fus quand même a fini premier de sa, de, sa conférence, hein, tandis que les Cape Tigers, qui ont fini troisième, <coughs> pardon, qui ont fini troisième, bien sûr, à cause de ce problème qui est arrivé au Dynamo de Burundi et donc ont été repêchés. En tout cas, des matchs très attendus ici, en Afrique et partout ailleurs. Vous nous suivez, je rappelle que vous regardez ce programme de la VOA consacré à la Basketball Africa League. Et pour rappel, il y a eu des matchs hier, il y a eu des matchs très intéressants d'ailleurs. Alali, le champion en titre, hein, Alali d'Égypte, s'est incliné 78-89 devant Fus de Rabat. Et en quelque sorte, les Marocains envoient un signal fort hein, dans cette compétition. Les Marocains, on va le rappeler, qui s'étaient déjà qui, ont déjà, qui avaient déjà pris la première place du côté de Pretoria pour ce qui est de la conférence Kalahari, pour se qualifier pour ces playoffs-là et qui découvrent la compétition, même s'ils comptent bien sûr à leur sein des garçons qui connaissent cette compétition-là. Je pense notamment au Malien, Aliou Diara, qui a explosé bien sûr à plusieurs reprises dans cette Basketball Africa League, qu'il connaît parce que bien sûr il a joué du côté de l'AS Police, je pense, avec euh, l'équipe malienne avant de se retrouver donc euh, du côté de l'AS Douane l'année dernière, puis maintenant cette année. Et eh bien, donc, euh, c'est dit que cette équipe, par l'AS Douane, pardon, et donc, c'est dit que cette équipe, bien sûr, du stade malien, je me rappelle, et donc voilà, Diarra qui a joué pour le stade malien, j'y arrive donc avant de se retrouver du côté du Maroc pour jouer avec euh, Fus de Rabat. Et donc, c'est dit que ce sont des garçons qui connaissent la compétition et qui sont passés d'une équipe à une autre, même si ils se retrouvent bien sûr dans des, euh, dans des équipes plutôt qui découvrent la compétition et parlant bien sûr de, Daliou Diarra, je pense à un garçon comme Abdoulaye Aruna, qui a joué avec basket, Abidjan Basketball Club l'année dernière et qui était d'ailleurs à Kigali pour, les pour les playoffs et qui cette année évolue du côté de l'AS Douane avec euh, le coach Pabigué à qui on fait un grand coucou. À côté, bien sûr, de Abdoulaye Aruna, il y a celui-là même qu'on appelle Mike Fofana, l'ivoirien, bien sûr, de cette équipe euh, sénégalaise. On se rappelle de son shoot au buzzer et donc euh, son buzzer buteur qui avait permis à l'AS Douane de rester en vie dans la conférence euh, du Sahara avant d'arracher son ticket de qualification en occupant justement la deuxième place derrière les Rivers Hoopers du Nigeria dans la conférence du Sahara. Et donc, ce sont des garçons comme ça qui forment ces équipes qu'on dit découvrir la compétition. Et donc, c'est dire que l'équipe est nouvelle, mais quand même, voilà, en son sein, il y a des acteurs qui sont anciens et qui connaissent, cette Basketball Africa League. Je rappelle, saison 4, la première saison en 2021, la deuxième en 2022, la deuxième en 2023 et puis voilà, 2024, eh bien, saison 4. Et donc, la première saison enlevée par le Zamalek, la deuxième enlevée euh, par l'Union sportive monassyrienne de la Tunisie, la troisième enlevée par Al-Ali d'Égypte, toujours en, course. Et donc, vous le verrez, il n'y a qu'un seul champion qui n'est pas dans cette compétition-là. Il s'agit du Zamalek, bien sûr, qui, n'y est pas, pour la simple raison que c'est Al-Ali d'Égypte qui a fini premier du championnat égyptien. Et la règle, elle est connue, hein, que ce soit en Égypte ou au Sénégal ou encore au Nigeria ou dans d'autres, dans quatre autres pays. Et eh bien, en Angola également, c'est l'équipe championne en titre du pays qui participe à la Basketball Africa League. Par contre, les autres sont passés par ce qu'on appelle la road to BEL et donc la voie, si vous voulez, vers la Ligue africaine de basketball. C'est ce qu'a fait justement FUS de Rabat pour se retrouver dans cette compétition-là. FUS de Rabat qui confirme quand même hein, qu'il est nécessaire de compter avec euh, cette formation marocaine dans cette Basketball Africa League et qui le prouve. Je m'en vais vous lire hein, quelques statistiques toujours du match, euh, du, match du, premier match de ce jour entre Petro de Luanda et l'Union sportive monassirienne. En termes, bien sûr, de, de réussite à deux points, eh bien, c'est seulement 40% pour Petro contre 45% pour Monastir et Monasti, qui s'est mieux illustré hein, en termes de shoot à 3 points, avec 29% de réussite, 3, 8 tirs réussis sur 27, c'est très peu. Du côté, bien sûr, de Petro de Luanda, c'est seulement 7 tirs réussis sur 27 pour 25%, très peu également, et donc des statistiques assez maigres pour une compétition, bien sûr, à ce niveau-là des playoffs de la Basketball Africa League. En termes de rebonds, eh bien, ce sont les Tunisiens qui mènent la danse avec 43 rebonds contre 39 pour Petro de Luanda, et en termes de passes décisives, il s'agit de Petro, 18 contre 15. Et donc, vous le constatez, ces statistiques-là sont un peu serrées justement parce que ces deux équipes sont des équipes de niveau. On va le rappeler, hein, du côté bien sûr des Angolais, eh bien, ce sont des, gens qui sont toujours attendus, mais qui ne répondent pas toujours présents dans cette Basketball Africa League. On l'a vu l'année dernière, cette déception de l'élimination euh, des Angolais donc en demi-finale avec euh, le coach euh, qui pestait bien sûr Rossé Neto qui était dans tous ses états et qui faisait beaucoup de bruit sur le banc. Et voilà, à l'écran devant moi bien sûr cette biquet Arena qu'on a eu le plaisir, chaque Tiro et moi, chaque n'est pas là aujourd'hui bien sûr, de fouler la pelouse hein, lors des matchs, oh, pas, le parquet disons, lors des matchs euh, de l'année dernière. C'était énorme en tout cas à Kigali. Aujourd'hui à la production, eh bien c'est Sims Lumami qui est avec moi. Sims me dira bien sûr quand est-ce on pourra prendre une pause, mais en tout cas, ça fait plaisir, je le rappelle une fois de plus, d'écouter ce programme de la Basketball Africa League consacré au basketball africain et l'objectif il avait dit, le président de la Basketball Africa League, Amadou Galofala, à l'époque, je me rappelle, quand il lançait justement cette compétition-là du côté de Chicago, pour la première fois, pas en plein Covid, mais en début de Covid, parce que le Covid avait commencé en décembre, lorsque j'étais en, voyage. Je suis revenu et puis bon voilà, en mars, on a été du côté de Chicago pour lancer cette compétition-là avec le Gotha du basketball africain qui évolue ici aux États-Unis. Je vais parler des garçons comme Masai Ujiri, qui est le président des Toronto Raptors, celui-là même qui a, été, qui a amené le club canadien au sommet de la NBA, rappelez-vous. Euh, c'était juste euh, quelques années avant. Et donc, le Gotha du, basketball africain était présent du côté de Chicago et tout le monde, tout le monde, j'ai dit bien tout le monde s'attendait à ce qu'on dise, eh bien, cette Basketball Africa League là, elle va permettre à de jeunes talents de, de trouver dans cette compétition là une sorte de passerelle pour aller en NBA. Amadou Gallo Fall a été clair. Certes, les jeunes talents qui évoluent dans cette Basketball Africa League, qui évoluent dans les différentes académies sur le continent qui évoluent dans des centres de formation ou dans des clubs dans leurs pays respectifs et qui rêvent de NBA pourraient utiliser la Basketball Africa League comme un canal, mais ce n'est pas fait exclusivement pour cela. Il s'agit tout simplement d'offrir de la compétition de qualité de la balle au panier aux Africains afin qu'ils puissent évoluer sur le continent aux yeux de leur public, aux yeux de leurs dirigeants et de convaincre justement le public et les dirigeants que c'est possible d'avoir du basketball de qualité en Afrique. L'objectif, il est là. Vous avez suivi la première édition en 2021 où le Zamalek a été champion. Vous avez suivi la deuxième édition en 2022 où l'Union sportive monassirienne a été championne. Vous avez suivi la troisième édition l'année dernière où Al-Ali d'Égypte a fini champion. Cette année, eh bien, vous suivez ces matchs de la Basketball Africa League et vous l'aurez constaté, il y a trois conférences au lieu de deux habituellement. La première conférence a tenu ses matchs du côté de Pretoria, dans ce qu'on a appelé bien sûr la conférence Kalahari, qui a regroupé quatre équipes. Deux se sont qualifiées directement pour les playoffs. Il s'agit bien sûr de FUS de Rabat et de Petro de Luanda. Les Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud ont fini troisième. Dynamo Basketball Club du Burundi pour des raisons que vous connaissez, politique mélangée à du sport, je ne vais pas revenir là-dessus, C'est retiré de la compétition justement parce que les maillots de la Basketball Africa League portent bien sûr la marque Visite Rwanda, tout simplement parce que le Rwanda est sponsor de cette compétition-là, et ce depuis sa toute première édition. Et donc, pour des problèmes politiques entre le Rwanda et le Burundi, eh bien, le club, ou si vous voulez, les dirigeants du club ont décidé de ce que ces joueurs-là ne prennent pas part aux différents matchs tant que l'inscription Visite Rwanda est toujours sur les maillots, ce qui a eu lieu. pour, le premier match, c'est passé parce qu'ils ont caché bien sûr cette inscription Visite Rwanda avec du scotch. Pour le deuxième match, eh bien, les différents responsables de la Basketball Africa League ont été intransigeants. Pas question de changer les règles en cours du jeu. Soit Dynamo joue avec ces maillots-là ou bien Dynamo déclare forfait au bout de trois matchs. Dynamo est de la compétition. C'est ce qui est arrivé. Donc du coup, ça changé un peu les règles de cette Basketball Africa League, si vous voulez, saison, 4 euh, en cours. Qu'est-ce qu'on fait désormais Il y a eu seulement trois équipes de la conférence Kalahari, Dynamo Basketball Club étant éliminé. Du coup, tous les matchs qui ont été joués contre Dynamo Basketball Club ont été annulés. Et il est revenu, bien sûr, les deux premiers tickets à Fus de Rabat, premier qualifié, à Petro de Luanda, deuxième qualifié directement pour les playoffs. Cape Town Tigers était en attente. Cape Town Tigers a été repêché en tant que meilleur troisième à l'issue des matchs de la conférence du Nil qui ont eu lieu du côté du Caire en Égypte. Et dans cette conférence-là, il y avait quatre formations en jeu. Al-Ali d'Égypte, club hôte, club qui évolue à domicile. Al-Ali de la Libye ou encore Al-Ali Benghazi, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ensuite, il y avait aussi les Centrafricains de Bangui Sporting Club et les Ougandais des City Oilers. Malheureusement, malheureusement pour les Centrafricains, je dis malheureusement parce que c'est un pays francophone. On a écouté bien sûr dans tous les pays francophones d'Afrique. J'ai fait d'ailleurs un clin d'œil, un coucou à tous ces pays francophones-là. Malheureusement pour Bangui Sporting Club qui a fini troisième de la conférence du Nil alors que les City Oilers de l'Ouganda ont fini dernier et n'ont même pas pu arracher une seule victoire dans cette compétition. Donc, Bangui a gagné deux fois contre City Oilers. Et donc, ces deux victoires de Bangui ont été annulées. Et la seule victoire de Bangui qui a compté, eh bien, c'est celle qui a été gagnée contre à la Ligue d'Égypte, le champion en titre. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé À la Ligue d'Égypte Qualifié directement en tant que premier pour les playoffs, à la Ligue Benghazi qualifié directement en tant que premier pour les playoffs, Bangui Sporting Club de la République centrafricaine en attente, parce que meilleur troisième de la conférence du Nil, en attente des matchs de quelle conférence Des matchs de la conférence du Sahara. Les matchs de la conférence du Sahara qui ont eu lieu à la Dakar aruna cette euh, enceinte qui connaît bien l'histoire de cette Basketball Africa League parce que je peux dire que c'est là-bas, sur le parquet de la Dakar Arunan, que le premier coup d'envoi de la compétition a été donné. C'était en plein Covid d'ailleurs. Et les matchs se sont joués dans une bulle pour ce qui est des matchs euh, de, de poule. Et donc, euh, dans cette euh, Dakar Arunan, où il y avait également quatre équipes en liste. Les Sénégalais de l'AS Douane Club Haute, les Tunisiens de l'Union sportive monastirienne, les Nigériens de Rivers Hoopers, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, les Rivers Hoopers ont fini premier, qualifiés directement pour les playoffs. Ça devait se jouer pour ce qui est de la deuxième place essentiellement entre l'Union sportive Monastirienne et l'AS Douane du Sénégal. L'AS Douane du Sénégal a bataillé. Elle a arraché la deuxième place. La troisième place, celle du meilleur troisième, est revenue à l'Union sportive monassyrienne de la Tunisie. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait Cela élimine en même temps définitivement Bangui Sporting Club de la République centrafricaine qui part, repart en disant à la maison avec trois victoires au compteur. Alors que, rappelez-vous, les Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud n'ont gagné qu'un seul match dans la conférence de Pretoria et donc dans la conférence Kalahari. Et l'équipe Tigers, justement, se qualifie pour la phase finale, si vous voulez, pour les playoffs de cette Basketball Africa League. Et donc, c'est comme on le disait, les règles sont à la fois simples, mais aussi compliquées, parce qu'il faut les comprendre. Et c'est ce qui est arrivé. En tout cas, on souhaite beaucoup de chance, beaucoup de chance aux Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud qui sont présents dans cette compétition-là et qui ont déjà joué hein, dans cette phase de classement. On leur souhaite beaucoup de chance et on espère, on espère que les Cape Town Tigers vont s'en sortir hein, pleinement pour le bonheur des Africains et pour le bonheur de tous ceux qui regardent ou encore qui regardent justement cette Basketball Africa League. Ça fait un bon moment hein, que je suis devant ce micro et à l'écran, on le voit bien sûr, les joueurs sont en train de s'échauffer du côté de la Biké Arena de Kigali. Ça va commencer sous peu, peut-être dans une quinzaine de minutes maximum. On va rejoindre nos confrères du Canal Plus pour qui, qui, qui commentent les matchs, bien sûr, en direct euh, sur notre antenne et qui avec bien évidemment notre intervention de temps à autre, vous le suivez. Et donc, euh, on va marquer une courte pause, si Sims Lumami le permet, et on revient juste après pour euh, continuer à décrypter cet avant-match de la Basketball Africa League saison 4. Voilà, merci de suivre ce podcast consacré à la Basketball Africa League saison 3, saison 4, pardon. Je rappelle que nous émettons en direct du studio 12 de la Voix de l'Amérique. C'est ici, à Washington, devant ce micro, Yakuba Wedraugo pour vous parler justement de l'avant-match tant attendu entre l'AS Douane du Sénégal et qui, les Rivers Hoopers du Nigeria, deux formations qui se connaissent pour avoir déjà disputé des matchs lors de la saison régulière et donc en phase de poule du côté de la Dakar Arena beaucoup de personnes se posent des questions. Comment on se qualifie pour cette Basketball Africa League là Il faut passer par quel chemin Comment se passe la, euh, euh, route ou biais-elle et donc par quelle phase éliminatoire il faut passer pour se retrouver, non seulement dans les matchs de conférence, mais aussi du côté de la BK Arena de Kigali pour participer à cette Basketball Africa League. Nous avons eu un entretien. Quand je parle de nous, eh bien, Cheikh tiroir a tendu son micro à Alphonse Billet, qui est le secrétaire général de FIBA Afrique. Et, donc, Sims me dit que le, son n'est pas encore prêt, c'est ça C'est dans l'Evergreen, en fait. Et donc, on va essayer de retrouver Alphonse Billet, qui est le secrétaire général de FIBA Afrique et qui nous explique comment, comment, bien sûr, on se qualifie pour cette Basketball Africa League. Sims, si tu es prêt, on y va maintenant. Merci beaucoup. Bon, je suis euh, docteur Alphonse Billet, secrétaire général de FIBA Afrique. Euh, pour parler de la balle et de la FIBA Afrique, ça fait plusieurs, plusieurs années, nous souhaitons avoir une relation avec la NBA. C'est le, basket africain. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des joueurs qui jouent à NBA, etc., vu leur gabarit, leur morphologie, leur génotype, ce sont quand même des Africains. Donc euh, la manière dont ils jouent, pourquoi on ne pourrait pas jouer pareil Et on s'est rendu compte que nos équipes africaines, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Angola, etc., on n'arrivait pas à percer au niveau international. Donc on a dit qu'il serait peut-être intéressant au niveau des clubs champions de l'Afrique, le champion de chaque pays en Afrique, nous organisons une compétition qu'on appelait euh, l'Afro Club, est-ce que ce n'était pas intéressant de pouvoir avoir un lien avec la NBA, essayer de construire cette histoire de club Parce que pour les équipes nationales, c'est plus compliqué. Donc nous avons pu rencontrer le patron de la NBA, Adam Silver, Tatum et tous les autres, avec Kim Bohuni, avec Amadou, etc., qui était en ce moment Amadou, qui était, je dirais, le président de NBA Africa, responsable de NBA Africa en Afrique du Sud. Et donc nous avons pu voir le le, patron de la NBA, David euh, Adam Silver, qui nous a laissé dit que bon, pourquoi pas Ça pourrait être une idée intéressante, il fallait qu'on la mûrisse. Et de fil en aiguille, nous avons travaillé sur deux ans, tranquillement, pour voir comment le club champion, la compétition club champion africaine, pouvait devenir une compétition en association avec la NBA. Donc c'est une structure où nous faisons, nous, la première partie de la compétition, ce que nous appelons la road to BL, qui fait que d'abord tous les pays africains peuvent jouer. On a euh, entre 30 et 40 pays qui jouent au niveau des clubs. Et ensuite, nous prenons 16 que nous appelons l'Elite 16. Et les 16, nous retirons au total 6. Les 6 équipes viennent compléter ce que la NBA nous a demandé. Elle voulait 6 pays fixes. Pas des franchises, mais 6 pays fixes donc ces six pays fixes, on vient compléter pour faire les 12 équipes. Et ça, on appelle cette compétition maintenant, avec les 12 équipes, la BL. Et cette BL, toute la partie, je dirais, promotion, marketing, etc., etc., c'est pour la NBA. Et la partie compétition, en tant que règlement, les arbitres, les commissaires, etc., c'est FIBA Afrique. Et ce sont les règlements de la FIBA qu'on utilise dans cette compétition parce qu'après tout, c'est une compétition africaine avec des joueurs africains. Il y a quelques joueurs américains, etc. Mais c'est plus euh, une compétition africaine. Ce sont pratiquement les mêmes joueurs qui jouent pendant l'afro-basket, etc. Donc nous appliquons, la NBA a accepté, nous appliquons le règlement de la FIBA pendant cette compétition avec des arbitres africains et quelques arbitres de la, de la Voilà un peu l'histoire. Ça nous a permis de créer donc une bonne famille nous, nous constatons que ça nous va au niveau continent africain. Ça permet la révélation de beaucoup de joueurs. Ça permet la promotion de ce basket africain, pas seulement la BL, mais la promotion de ce basket africain. Une visibilité vraiment intéressante. C'est ce que nous recherchons. Bonjour ou bonsoir, c'est Selon. Merci de nous rejoindre ici à la Voix de l'Amérique, à Washington DC. Nous recevons pour vous aujourd'hui, bien sûr, Monsieur Will Biacop, il est oh. expert en économie. Voilà, et donc euh, à l'instant, vous écoutiez Alphonse Billet, le secrétaire général de FIBA Afrique, qui nous expliquait justement comment on peut se qualifier pour cette Basketball Africa League. En tout cas, merci à Cheikh Thiro qui a réalisé cette interview, riche euh, bien sûr de connaissances. Vous l'avez suivi, le processus même de naissance de cette Basketball Africa League. Ce n'est donc pas compliqué. Toutes les équipes ou encore les clubs de basketball sur le continent ont la possibilité de participer à cette Basketball Africa League pourvu qu'elles s'inscrivent et qu'elles passent par la route to BL. Et donc, euh, cette euh, phase éliminatoire qui se passe bien sûr dans différentes conférences, une sorte de conférence. On parle bien sûr des districts de ouest, districts bien sûr de l'Afrique de l'Est et autres. Et donc, les équipes là se réunissent dans ces sortes de conférences pour jouer des matchs qualificatifs pour la saison régulière et c'est par là qu'est passé par exemple FUS de Rabat pour se retrouver à ce niveau de la compétition là. C'est six places bien sûr qui sont réservées à travers bien sûr cette road to BL parce que les six autres places reviennent à des champions respectifs des pays concernés. Donc vous passez par là et vous qualifiez pour cette BL là. Tout a été clair. Il n'y a pas de rivalité dans les compétitions de basketball sur le continent, du fait bien sûr que la Basketball Africa League existe, la Ligue des champions de basketball existe, mais aussi du fait il y a l'afro-basket qui est une sorte de canne de basketball pour les, euh, euh, pour les disons, pour les, les équipes nationales existent sur le continent. donc, ce sont des compétitions qui ne se chevauchent pas et donc euh, l'une ou l'autre équipe qui veut participer. Quand je parle de l'une ou l'autre équipe, il s'agit bien sûr que ce soit une équipe nationale ou encore un club, il y a toujours de la place pour tout le monde. Et vous le voyez, cette Basketball Africa League a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé sur le continent depuis la toute première édition en 2021 jusqu'à cette euh, saison 4. Beaucoup d'évolutions aussi dans le jeu, mais aussi dans la façon dont les équipes se reconstituent parce que vous l'avez vu, certaines équipes perdent des joueurs, elles se retrouvent bien sûr parce qu'elles se reconstituent justement pour se reformer avec d'autres joueurs pour se retrouver dans cette Basketball Africa League. Je le rappelle, le match 2 de la journée va commencer sous peu. Il s'agit bien sûr de celui qui oppose l'AS Douane du Sénégal.